du studio Kalangu, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangu. Pour ce premier numéro de la semaine, vous êtes en compagnie de Salamatu Kadri et moi-même Habiba Ahmed. Bonjour Salamatou, en forme ce matin Je vais bien Habiba, comment tu vas Ça va aussi Salamatou. Super, alors quel est le programme du jour D'abord le flush d'informations suivi de la rubrique hebdomadaire Justice comme tous les lundis. Dans la partie éco des régions, nous partirons à Maradi pour un reportage sur la consommation de drogue dans les établissements establecement scolaire À cela s'ajoutent nos rubriques spéciales Ramadan pour vous accompagner, chers auditrices et auditeurs. Vous suivrez les conseils du prédicateur ainsi que ceux du nutritionniste pour votre bien-être. Et ce n'est pas tout, nos chroniqueuses vous proposent des recettes culinaires et astuces pour votre bien, pour votre vie de tous les jours. Avant tout, dans la partie invitée du jour, nous serons avec Madame Habibatou Malam responsable du centre communautaire au CICR. Restez branchés pour 60 minutes de partage avec nous. Top, c'est parti. Chers auditeurs, tout de suite les flèches d'information avec euh, Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar, Mokhtar qui vient fraîchement de congé. Oui, bonjour euh, Habiba, bonjour euh, Salamatou. Bonjour Mokhtar, quelles sont les nouvelles ce matin Eh bien, les autorités nigériennes ont dénoncé avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. L'annonce a été faite samedi par le colonel-major Abdraman Amadou, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à la télévision publique. Pour rappel, les États-Unis d'Amérique disposent d'une base militaire au Niger dans le cadre de la lutte contre les terrorismes. À la date du 16 mars 2024, la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale Coldef a recouvré environ 25 milliards de francs CFA d'avoir illicites. Plus, plus, de 20 milliards ont été encaissés et les quatre autres en cours de lettres grâce à la saisine des milliers de titres fonciers parcelles, villas, immeubles et autres biens saisis auprès des mises en cause. Aujourd'hui, 18 mars, c'est la journée mondiale de la schizophrénie, une maladie mentale chronique qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, environ 24 millions de personnes sont atteintes dans le monde, soit une sur 300. Au Niger, beaucoup de ces malades heurent dans les rues, exposant ainsi les passants. Un traitement existe, même si la recherche n'a pas encore mis en évidence de causes uniques de la schizophrénie, selon les spécialistes. Et c'est tout pour le flash d'information de ce lundi 18 mars 2024. Merci beaucoup Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, comme annoncé en l'entame de l'émission, l'invité du jour est Madame Habibatou Malamonzo, responsable du centre communautaire au CICR. Bonjour Habibatou, merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, nous saurons un peu plus sur le fonctionnement de ce centre. Habibatou, vous êtes la responsable du centre communautaire au CICR. Qu'est-ce que le centre de contact communautaire Merci euh, Habiba. Alors le centre de contact communautaire est une ligne d'assistance téléphonique, c'est-à-dire un numéro d'appel gratuit qui est dédié aux personnes affectées par le conflit armé, catastrophe et autres euh, situations de violence. Alors le centre CCC, euh, en abréviation, nous l'appelons CCC, mhm. est mis en place pour améliorer Hein, la qualité des programmes et services du mouvement de la Croix-Rouge au Niger. Et comment ils fonctionnent et surtout comment bénéficiez-vous de ces services alors, il faut d'abord dire que le numéro euh, de ces centres, c'est un numéro particulier qui est court, composé de quatre chiffres 5, 6, 6, 5, donc c'est-à-dire 56, 65, afin de faciliter la mémorisation et l'accès aux personnes et des communautés dans lesquelles nous travaillons. Alors les communautés de ces zones euh, appellent ce numéro pour poser des questions faire des réclamations, Quelles par faire exemple? des euh, suggestions, par exemple à Difa, nous travaillons à Tilaberi, à Tawa, à Maradi, un peu partout hein, au Niger, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un numéro pour l'ensemble des mouvements de la Croix-Rouge, donc pas exclusivement CICR. Mais est-ce que ces numéros-là, c'est affiché partout alors, le numéro n'est pas euh, affiché partout, mais le numéro est communiqué pendant la mise en œuvre des activités. Donc à chaque fois que les équipes sortent sur le terrain, ils profitent euh, durant les premières minutes pour sensibiliser ces communautés sur euh, l'usage de ces numéros. Donc euh, au-delà de ça, il faut dire que ce centre dispose des personnes qui sont dédiées, qui sont en charge de la gestion de ces appels. Mhm. Donc, il arrive qu'on reçoive des appels qui sont vraiment simples, donc où ces opérateurs peuvent, à leur niveau déjà, traiter et clôturer eh, les informations ou les retours d'informations reçus directement. Mais il arrive que deux fois qu'on reçoive aussi des informations ou des retours d'informations qui sont complexes et là qui nécessitent l'implication des spécialistes des différents programmes et projets et ou des responsables même des programmes pour euh, assurer un meilleur suivi et une prise en charge de ces cas. Alors, ce qu'il faut aussi noter dans le fonctionnement de ces centres, euh, les appels sont traités de manière confidentielle. Donc, c'est-à-dire l'appelant peut ne pas s'identifier s'il désire garder euh, l'anonymat. Ah, et c'est aussi euh, une ligne vraiment qui est ouverte à toutes les personnes hein, qui soit bénéficient directement des activités et projets de la Croix-Rouge et où qui ne bénéficient pas. Donc, que la personne soit associée ou pas aux activités eh, de la Croix-Rouge peut utiliser ce numéro d'appel gratuit. Donc, grâce à ces opérateurs, vraiment, ces personnes sont écoutées, orientées et reçoivent des informations et eh, appropriées en temps opportun sur les programmes et projets offerts et déployés par la Croix-Rouge. Concrètement, quel est le profil des gens qui sont dans les centres alors, nous avons euh, actuellement deux personnes, une femme et puis un homme, en tout cas, qui assure euh, la gestion de ces appels euh, au quotidien, donc du lundi au vendredi, par exemple, de 8h30 et la ligne, elle est déjà ouverte jusqu'à 13h, donc heure de pause. Et là, ils vont en pause et ils reprennent à partir de 14h jusqu'à 16h30. Donc, en dehors de ces horaires, euh, les usagers ou les personnes peuvent aussi laisser un message vocal hein, à travers euh, la messagerie, la boîte de la messagerie en appuyant sur la touche dièse de leur téléphone après le message de notification et d'absence. Et il faut dire que ces deux opérateurs sont aussi accompagnés par un superviseur qui est effectivement Habibou, que nous avons ici donc, euh, qui essaye de suivre le bon fonctionnement du centre de contact communautaire. Merci pour ces précisions. À présent, écoutons ensemble le mot du prédicateur pour le génère. Chers auditeurs, aujourd'hui, le prédicateur évoque les recommandations pour les personnes exemptées du jeûne pendant ce mois de Ramadan. Oustaz Mustafa Hamadou, membre du Conseil islamique du Niger, est au micro de Rafika Attar un voyageur, un transitaire qui n'est pas chez lui, qui a un rupture donc de provision, il est exempté de génie. Celui qui est malade, au moi, une maladie qui ne le permet pas. Maintenant, ceux qui sont exemptés complètement, une personne qui n'est pas pibère, n'est pas majeur, alors il est complètement exempté de gêne. Maintenant, le fou, lui qui est malade mental, lui, il est exempté complètement donc de gêne. Et les vieillards, ils sont exemptés totalement, mais ils peuvent, par exemple, pour ceux qui sont encore conscients, ou bien leurs parents peuvent leur enlever ce qu'il faut enlever pour les membres de famille en fin de carême, mais n'ont pas l'obligation de le faire. Donc ceux qui sont obligés de le rembourser, ce sont les malades qui peut être guéri, qui est pubère, qui est majeur. Allah a dit, demandez ceux qui savent, les scientifiques, les savants, tous ceux que vous ne savez pas. Si ils vous disent que ça là c'est interdit, eh bien l'islam aussi réprime ça. Si un médecin vous dit des choses là, l'islam aussi l'interdit. Il n'y a pas de capable parce que vous n'êtes pas spécialiste. À partir de l'attestation d'un médecin ou d'un scientifique quelconque, Allah a dit que l'islam va avec la décision d'un médecin. Vous pouvez faire euh, cette euh, obligation-là de nourrir ceux qui sont nécessités dans l'intention de compenser effectivement ce qu'on n'a pas pu faire pour raison de santé. La femme enceinte ou allaitante, elle se mesure. Si elle peut, elle peut prendre. Si elle sent qu'elle ne peut pas, le mieux c'était de donner les manger d'un mois. D'autres versions disent euh, de faire manger 60 personnes avec l'intention que Allah, je n'ai pas pu gêner comme il le faut, comme il se doit, comme il est imposé sur moi, les gens du mois de Ramadan, en compensation. Allah, comme tu m'as ordonné de faire, j'enlève cette mesure d'aliments au profit donc des pauvres, tel que tu m'as indiqué. Et ça couvre vraiment, c'est comme si tu as gêné avec tout le monde. Ça lui donne la valeur qu'un gênant a fait de 30 jours. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalango. Là, nous allons poursuivre notre entretien avec euh, Madame Habibatou Malamanzo du CICR. Alors, quels sont les principes qui guident le fonctionnement des centres de contact communautaire Merci euh, Habiba. Donc, euh, il faut dire que le centre de contact communautaire est guidé par un certain nombre de principes, notamment la confidentialité et l'impartialité le partage d'informations et le traitement des retours d'informations. Donc, euh, comme vous le savez, les retours d'informations peuvent aussi avoir des informations qui sont sensibles. Donc, euh, pour la sécurité aussi de ces personnes, il faut assurer un minimum dans ce sens. De l'autre côté, on peut aussi parler de, de la sécurité, toujours, hein, de ces personnes pour éviter des représailles. Donc, euh, il faut vraiment s'assurer que les personnes qui vont appeler ce numéro d'appel gratuit ne subissent pas euh, d'autres effets ou conséquences négatives. Et enfin, il faut dire aussi que le suivi, le, le, fait de répondre aussi au, au, au retour, à ces retours d'informations de ces appelants, et permet aussi de garantir le bon fonctionnement de ce mécanisme. Parce que si aujourd'hui les communautés contactent ou appellent eh, cette ligne de la Croix-Rouge et que par la suite il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de, réponse par rapport à leurs préoccupations et, ou des ajustements et des adaptations qui ont été faites grâce à ça, et cela pourrait aussi euh, euh, constituer un dysfonctionnement ou un obstacle par rapport et au fonctionnement de, de cet outil. Effectivement, c'était même ça ma question. Est-ce que ce centre répond même aux attentes de la communauté Et maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans les activités de ce centre Ok, euh, peut-être je vais revenir sur euh, l'attente aux communautés parce qu'il faut dire que cet outil a été aussi identifié grâce à la consultation de ces communautés lors d'une étude de perception que nous réalisons en tout cas de manière périodique. Et dans ce sens, aujourd'hui, donc, on peut dire clairement que c'est un besoin déjà de la communauté qui a été exprimé par cette même communauté que nous avons essayé de mettre euh, tout simplement en exécution. Et la preuve, si je peux le dire aujourd'hui, c'est sa fonctionnalité. Donc, à titre illustratif, au cours de l'année 2023, nous avons traité 2569 retours d'informations. Et ces retours d'informations traités nous ont quand même permis hein, aujourd'hui euh, de, favoriser l'inclusion des différents groupes dans les zones ou les sites où nous travaillons, de faciliter aussi l'accès aux services de santé, et aux services de rétablissement des liens familiaux, mais aussi d'avoir des suggestions concrètes qui nous ont aidés à améliorer la qualité de certains de nos programmes. Et mieux encore, on reçoit souvent aussi des alertes sur des comportements inappropriés, ce qui permet là aussi de traiter certaines réclamations et d'éviter que des problèmes ne s'aggravent. Donc, en bref, vraiment, euh, ces retours d'informations, euh, je peux dire, ça répond aux attentes des communautés et ça nous permet aussi d'adapter nos activités et projets au sein de la Croix-Rouge un dernier mot pour nous. Non, il ne nous a pas parlé des, difficultés, Effectivement. <laughs> Donc, je pense que l'une des difficultés majeures auxquelles euh, aujourd'hui le centre est confronté, c'est l'accessibilité aux personnes qui nous contactent en dehors des heures de service. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette possibilité d'appuyer sur la, sur la touche dièse et puis passer votre message. Et quand les équipes prennent service, ils vont vous recontacter s'ils ont besoin d'informations ou pour vous assurer qu'ils ont reçu quand même le message que vous avez lancé. Donc là, on a constaté que, euh, en tout cas, à disons 70% quand on fait ces retours-là, on n'arrive pas à joindre les gens. Et cela aussi pourrait s'expliquer effectivement par la non-stabilité ou l'instabilité des réseaux téléphoniques, surtout dans des zones qui sont éloignées. Vous savez, dans les zones rurales, surtout, les gens, des fois, quand eux, ils veulent appeler, ils se déplacent juste vers un endroit où le réseau il est plus favorable. Et après, le, besoin, ils retournent chez eux. Et là, il n'y a plus de réseau. Donc, ce qui fait que nous, quand on veut rappeler, il est un peu difficile euh, souvent de les avoir à 100%. Donc ça, c'est une des préoccupations que nous avons. Ok, Habiboto, un dernier mot pour nos auditeurs. Alors, un dernier mot, là, je dirais, j'invite vraiment euh, les personnes, surtout des zones dans lesquelles nous travaillons, je les encourage à nous contacter à travers le numéro d'appel gratuit, que les 56 65 L'appel est gratuit pour les personnes qui vont nous appeler avec leur euh, réseau RTL, Zamani et Move. Donc pour ceux qui appelleront avec le réseau eh, Sahelcom, malheureusement, eh, pour le moment, ils se verront facturés parce que la gratuité n'est pas encore effective. Donc euh, voilà, en tout cas, à travers ce mécanisme, eh, le mouvement de la Croix-Rouge au Niger améliore son accompagnement, ses programmes et traite chacun avec dignité. Merci Habiboto d'être passé au studio Kalango. Chers auditeurs, découvrons ensemble d'autres vertus du sel outre que la préparation de repas dans la rubrique Conseil nutritionniste du jour. Le sel que nous utilisons pour assaisonner les aliments sert aussi à laver la salade. Il contient notamment des éléments qui permettent de détruire les différents microbes qui peuvent nuire à la santé. C'est ce qu'explique le, le nutritionniste Abdul Razak au micro de Rafia Abdoulaye Moussi. Le lavage de la salade répond à deux objectifs. Le premier objectif est le lavage vise à éliminer les impuretés physiques. C'est le cas notamment des insectes, c'est le cas du sable, c'est le cas du caillou, c'est le cas également des traces de, pesticides. Le deuxième objectif vise à éliminer les éléments biologiques. Donc parmi les éléments biologiques, on peut citer notamment les vers. Il y a des vers souvent sur la salade. Il faut savoir que de sel a une action sur les micro-organismes. En ce sens que euh, les micro-organismes, dans la majorité des cas, n'aiment pas les milieux très salés. Et donc, quand le milieu est salé, les micro-organismes ont du mal à se développer pour atteindre euh, des quantités susceptibles de provoquer des, maladies. Et c'est pour cette raison que on utilise le sel dans le lavage, le sel étant un aliment naturel donc il n'a pas les conséquences qu'on peut retrouver dans l'eau de Javel, il n'a pas les conséquences qu'on peut retrouver dans le permanganate. C'était les nutritionnistes Abdelrazaka au micro de Rafia Abdelahi Moussi. Nous allons marquer une pause avant d'entamer la rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. La rubrique hebdomadaire justice de ce lundi s'intéresse à la police administrative. C'est elle qui assure l'ordre et la sécurité publique. Et aussi, nous verrons ce qui la distingue de la police judiciaire. Pour plus de précisions, retrouverons les juristes Maître Abdrazak Mahazou, joint par Tarnan Ahmed. La police administrative est une activité de réglementation en vue du maintien de l'ordre public, c'est-à-dire la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Quelles sont les différentes composantes de l'ordre public Certaines composantes de la police administrative sont classiques, tandis que d'autres peuvent être classées des nouvelles. En ce qui concerne les composantes classiques, eh, la police administrative a pour but l'ordre public, c'est-à-dire eh, la sécurité, la salubrité et la tranquillité. Et s'agissant des composantes nouvelles, il y a d'abord la moralité publique. En effet, eh, le respect de la moralité publique peut justifier une mesure de police en présence des circonstances locales et particulières. Par exemple, la projection d'un film au contenu immoral peut être interdite en présence des circonstances locales particulières, et laissant présager eh, des risques de troubles à l'ordre public. Ensuite, la dignité humaine est une autre composante nouvelle de l'ordre public. Ainsi, même à l'absence de circonstances locales particulières, le titulaire du pouvoir de police administrative peut interdire une activité qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Quels sont les titulaires du pouvoir de police administrative Pour parler des titulaires du pouvoir de la police administrative, il faut d'abord distinguer entre la police administrative générale et la police administrative spéciale. La police administrative générale a un large champ d'application. Son but est de préserver l'ordre public pour un large panel d'activités. Et quant à la police administrative spéciale, elle a un champ d'application plus restreint. Et donc, elle ne s'applique que pour une activité spécifique ou eh, pour certains administrés. Donc, pour les titulaires du pouvoir de la police administrative générale, au niveau national, il y a le Premier ministre qui est titulaire du pouvoir de police administrative générale sur l'ensemble du territoire. Au niveau local, euh, c'est le préfet qui est titulaire du pouvoir de police administrative générale à l'échelon départemental et au niveau communal, c'est le maire qui est titulaire du pouvoir de police administrative générale. Quelle est la distinction entre la police administrative et la police judiciaire La distinction entre la police administrative et la police judiciaire repose sur un critère, en effet, la police judiciaire est répressive. Elle vise à constater une infraction à la loi pénale et à engager des poursuites. À l'inverse, la police administrative est préventive. Elle vise à prévenir un désordre et en prenant à l'avance des mesures préventives. Maître, nous voulons savoir, y a-t-il des conditionnalités s'agissant de l'exercice du pouvoir de police administrative Il y a des conditionnalités quant à l'exercice euh, du pouvoir de police administrative. En effet, les mesures de police administrative reposent sur un critère de proportionnalité. Donc, pour être légale, la mesure de police administrative doit être nécessaire, doit être adaptée et proportionnée à la situation. Ainsi, il faut que la situation justifie une mesure de police administrative. Il faut également que la situation justifie la mesure qui a finalement été prise. C'était la rubrique hebdomadaire Justice. Chers auditeurs, il est 11h passé de 19 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire consacrée au sujet justice. Direction Maradi pour parler d'un sujet préoccupant. Oui, Salamatou. La consommation de la drogue par les élèves en milieu scolaire devient de plus en plus préoccupante à Maradi, une situation qui impacte les rendements scolaires. Plusieurs établissements tentent de mettre en place des politiques de prévention et de sensibilisation. Le reportage avec Mohamed Maman. Lieu par excellence pour la recherche du savoir, l'école est désormais transformée en un lieu de consommation de drogue par les élèves à maladie. Les chiffres sont alarmants. 30% des consultations psychiatriques au centre hospitalier régional sont des élèves consommateurs de drogue. Cette situation est bel et bien vécue au complexe scolaire privé Benham, des élèves sont arrêtés et mis à la disposition de la police, comme le témoigne le censeur de l'établissement Omar Yahya. La première fois, c'était l'année de notre création, malgré tous les dispositifs mis en place pour parler à ce genre de situation, puisque vous n'êtes pas sans savoir, au CSP Bienam, on ne rentre pas sans pouvoir fouiller les sacs et même palper les poches des enfants. Mais malgré tout cela, l'année surpassée, nous avons pris un élève de 4e, qui est en train de vendre ça donc euh, ici au CSP Binam. Et du coup, on a, comme le stipule notre règlement intérieur, nous avions appelé la police antidrogue pour venir partir avec l'enfant et ensuite informer ses, euh, parents pour aller le rejoindre. Et un autre également l'année passée, tenez-vous bien, un élève en classe de 5e que nous avons également pris en flagrant délit en train de vendre donc ce genre de choses, la drogue aux, élèves. C'est la même situation que vit le collège d'enseignement général ce Gérauda à la différence du Bénin, ici, c'est plus le soir que ces jeunes viennent fumer leur drogue. Le directeur Yacouba Seydou. Nous sommes dans le cadre, comme vous le savez très bien, c'est fait de nous vraiment comme une plaque tournante, quoi, surtout les heures, le moment creux, là où il n'y a pas tellement de cours. Sinon, pendant les, jours ouvrables, nous avons des brigades, euh, des élèves qui font office de brigade euh, de contrôle de ces choses-là. Ils sont 12, 6 filles, 6 garçons. C'est l'une de leurs premières tâches ils sont là, ils sont nos yeux, ils sont nos oreilles par rapport à, et à ce phénomène-là et à d'autres phénomènes encore. Et c'est eux qui, à chaque fois qu'ils euh, ont une information, ils nous les rapportent. C'est pour stopper la cadence que le service santé scolaire entreprend des séances de sensibilisation dans les écoles pour mieux conscientiser ses élèves. Sulé Abdou, le point focal de la santé scolaire à la Direction régionale de l'éducation nationale, explique. Actuellement, hein, j'ai dit au niveau du secondaire, sont rares les établissements que nous n'avons pas encore visités. Nous n'avons pas tenu des séances de discussion, d'information, de sensibilisation directe avec les jeunes. Vraiment, c'est avec eux que nous avons recueilli ou compris euh, l'ampleur euh, du phénomène. Nous avons, hein, euh, quelquefois après la sensibilisation, on met en place des clubs de jeunes leaders d'établissement euh, qui vont essayer euh, de servir de relais euh, d'information donc à l'endroit de ces jeunes-là. Ces chefs d'établissement interpellent les parents d'élèves pour leur prêter main forte et cela doit passer selon eux par une surveillance accrue de leurs enfants, connaître leur fréquentation pour ne pas traverser la bonne éducation donnée à la maison. Chers auditeurs, c'était le reportage de rejoint de Mohamed Maman. Chers auditeurs, place à présent au sport avec euh, Hassumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Salamatou, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza, ça va Gourouza, le MENA national séjourne depuis hier au Maroc pour le compte de la journée FIFA. Oui, Salamatou, la sélection nigérienne jouera deux matchs. Le 22 mars 2024, les Poulains de Badouzaki affronteront les épevrés du euh, Togo. Et le 26 mars 2024, ils seront face aux étalons du Burkina Faso. C'est le vendredi 8 euh, euh, mars 2024. Vous vous rappelez que l'entraîneur Zaki a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour ces deux matchs de la journée FIFA. Cette journée permettra aux équipes nationales de jouer des matchs amicaux internationaux et qui donnera au pays des points au niveau de l'instance euh, du football mondial. Juste quelques instants après le départ de l'équipe nationale du Niger, le MENA pour euh, le Maroc, notre reporter Salamato Kadri a tendu son micro à quelques supporters nigériens. Écoutons-les. Il n'y a pas un grand changement, hein. c'est une liste euh, ordinaire. On s'attendait à cette liste quand même il y a, des, absents, il y a des, des repêchés qui ont été sanctionnés et dont la sanction a été levée il y a, quelques jours. C'est pratiquement la liste qui a joué contre le Sénégal avant la Cannes et qui a fait un, bon match. donc euh, la clémence de l'arbitre qui avait augmenté beaucoup de minutes pour que le, Sénégal euh, aille à la Cannes avec euh, un, bon moral. Donc, mais je pense que c'est ça la liste vraiment des, joueurs nigériens parce qu'il n'y a, pas plus que ça. Bon, pour la liste, hein, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que c'est pratiquement les mêmes joueurs qu'on retrouve. Ils ont passé en une année presque tous en équipe nationale. Le souci n'est pas sur la liste. On va voir, je pense que les premiers matchs, c'est là-dessus qu'on va juger si la liste est bonne ou pas. Parce que nous, nous avons l'avantage de juger après. Et lui, il va, faire, me faire la liste avant et nous, on va juger après. Donc on aura une, meilleure appréciation de ce que quand l'équipe aura joué. C'est lui qui pense qu'ils peuvent le servir. Donc il est le mieux, le mieux indiqué pour savoir vraiment les joueurs qu'il lui faut, pour le système qu'il veut utiliser et tout, et tout le reste. Maintenant, c'est comme j'ai dit, nous, c'est à la fin qu'on nous jugera par rapport au match qu'il va livrer et, ce que ça va donner. Voilà, c'était là quelques euh, supporters euh, juste après le départ de notre équipe nationale pour le Maroc euh, au micro de Salamotou Kadri. Alors, Gourouza, quittons le Maroc pour les Ghana où plusieurs de nos athlètes participent aux Jeux africains d'Accra. Oui, Abiba, après le judo qui a décroché, vous rappelez, une médaille d'argent. C'est au tour du taekwondo d'offrir deux médailles au Niger. Hier, deux de nos ambassadeurs, Marana Tijani dans la catégorie de moins de 54 kg et Mansour Maman dans la catégorie de moins de 63 kg ont successivement remporté les médailles d'argent et de bronze. Notons euh, que le judo, le taekwondo, l'athlétisme et la boxe sont les disciplines par lesquelles le Niger est représenté la FIFA a annoncé que le Maroc sera hôte des cinq prochaines éditions de la Coupe féminine U17 de football. Oui, tous, c'est une euh, compétition qui sera désormais disputée annuellement. La Coupe du monde féminin U17 de la FIFA est une compétition euh, qui encouragera énormément de jeunes filles et garçons à jouer le foot dans leur pays. C'est aussi la première fois que ce tournoi se disputera en Afrique. Voilà le sport aujourd'hui. Merci Grouza pour toutes ces informations. Bonne journée. Merci. Place à, la rubrique portrait, Salamatou. Oui, Habiba, âgée de 19 ans, Shamsia a un talent pour le dessin et la peinture. Dans le cadre de son travail, elle a le soutien de ses parents et d'autres organisations. Malgré les préjugés et les critiques sur son métier, grâce à sa persévérance, elle s'est imposée dans le milieu. On l'écoute au micro de Guidi Abdraman. don ga na zane-zane na hana shi ne tun da ina karama a gida ina zane-zane haka kuma yau da gobe a kwana a tashi sai na ce to bari in ci gaba da me yasa ban sa mishi picture in kana yin irin wanda manya-manya fenti na suna nan gayin shi na ce fenti wanga da nake nan gayi ya kai shekara shida. Wani abubuwa ne kike iya zanawa? duk abin da na gani ina iya zana shi a saman ta a gida ne nake nan ganin shi cikin ɗaki na kayan aiki na suna cikin ɗaki na in kwana in wuni haka ina nan ganin shi a ciki amma yanzu mun samu wata proje APHF eh, da ta tallafa mana ta hiddo mu daga cikin ɗakunan da damu da muke nan gayi ina yi cikin ɗaki ta ce to yanzu da yake cikin ɗaki na kike nan gayi don me yasa baki iya zuwa nan wajen mu ba baki kayan aiki ki buɗe shago babban mu buɗe miki shago ba ki dinga yi a nan wajen sai ga kungiyar dai kadai da ta tallafa mana menene burin ki a cikin wannan sana'ar Burina ina so in zama babba artist wanda a ce da tana ita ma ita ce artist ta hwari wanda ga tana ta hiddo garin difa a difa a samu mace a san da mata ne suke nan ganye aikin gaba ma namiji kaɗai ba mace ma tana iya yin shi. Kina cin karo da wasu matsaloli cikin wannan sana'ar? Kwarai ko ina gamuwa da matsala da yawa cikin wanga aikin nan. Kamar in ka hita in kana aikin ga in ka hita ka tafi kana gwada mutane a kai ga aikin da kake nan gayi na fanti ko ko su ganka kana cin saman wata katanga kana cin kana ta ma banki kana ma ƙohohi banki sai a ce ka wanga wai aiki ba ta rasa da aikin da za ta ga ta iya mace ta girma ta zama yan mata amma ta tsaya tana fenti kuma wanga fenti aikin maza ne a tsaya dai ana yi ta miki dumumuwa wanda daga baya in kin shi kawai hikin shi kamar ma ki bar aikin duk ɗan anguwa haka suna maka irin wanga kallon ba ma su har a cikin gari ma an ganka kama wajen sayan kayan banki ana maka dimi a ce mace ce mai aikin maza an san da wannan aikin kuma ana sayan su sosai 'yan kungiyoyi dai ne suke sayan abin da muke nan gaza su kaɗai ne yan ba wasu ba sai dai yan ma'aikata haka kama a washashe da yawa ne ba a samu ba muna nan ga yin shi ne cikin association an ga wadda muka gaya muku ko kuma a gida kenan bun buɗe wata galeri ba inda kowa suka san ke na ake sai da oeuvres su su dinga saya to mu ai wangar shi sayan shine yake kin ba mu ƙarfin gwiwa saboda babu mutane masu saya haka sosai da yawa dan ba mu buɗe ba ne inda an buɗe ai da mutane da yawa sun san inda ake nan ga sai da kuma kowa na iya zuwa ya zo ya C'était le portrait des Shamsia réalisés par Gudi Abdraman. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. Qu'est-ce que le fut nous ont concocté tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Contigo los días de playa me calor. Coucou les filles, bienvenue dans l'espace santé et bien-être de la rubrique Rosa. Nous allons continuer à partager avec vous les bienfaits du moringa. Aujourd'hui, nous allons voir comment il aide à soigner l'anémie. La quantité de fer contenu dans le moringa est très élevée. 150 mg ou 100 g de feuilles elle permet ainsi de favoriser la production de globules rouges et ainsi d'augmenter les taux d'hémoglobine dans le sang. Certaines ONG l'ont utilisé avec succès pour lutter contre l'anémie. Il aide aussi à combattre les cancers. Le moringa aide également à élever les taux d'oxygène circulant dans le sang. Cela lui permettrait d'être efficace dans les cas de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme. Il convient toutefois de préciser qu'en ce jour, les études scientifiques sur les humains sont encore insuffisantes pour assurer avec certitude qu'ils soignent effectivement toutes les maladies qu'il est censé prévenir ou guérir. Il faut donc en consommer avec précaution et en parler à votre médecin. La valeur nutritive de ces feuilles, en revanche, a déjà été prouvée scientifiquement. Le moringa aussi permet de réguler le diabète. Le moringa agit de deux manières intéressantes pour euh, prévenir et contrôler le diabète. Il fait baisser la glycémie quand elle est trop élevée il aide à réguler les taux des lipides sanguines, le cholestérol et les triglycérides. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être. On passe donc, Mariam, à l'espace cuisine. Les feuilles de moringa, c'est notamment 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 4 fois plus de vitamine A que la carotte, 2 fois plus de protéines que les yaourts, trois fois plus de potassium que la banane et trois fois plus de vitamine E que les épinards. Intégrer le moringa à l'alimentation quotidienne, c'est contribuer de manière significative à une meilleure hygiène de vie. Chers amis, il est rare de cuisiner sans huile. Alors, est-ce que vous savez qu'on extrait de l'huile des grains du moringa On extrait une huile de la graine de moringa riche en vitamines et en minéraux, ce qui la rend idéale pour prévenir les carences nutritionnelles. La graine de moringa est également une excellente source d'antioxydants, ce qui peut aider à lutter contre le vieillissement prématuré de nos cellules. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. En outre, la consommation régulière de cette graine permet de fortifier le système immunitaire. Si vous venez de le découvrir, qu'attendez-vous pour l'utiliser L'huile de moringa est riche en vitamines et en minéraux ce qui lui accorde de nombreux bienfaits pour la santé. Elle contient également des acides gras essentiels qui sont bénéfiques pour la peau et les cheveux. Il est également connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Elle peut aider à prévenir ou à réduire l'apparence des rides et des ridules. Enfin, elle aide à protéger contre les effets nocifs du stress oxydatif sur le corps humain. L'huile de moringa est donc un produit naturel très bénéfique pour la santé et le bien-être général. C'est tout pour la rubrique rose. Bye bye. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la chronique Loti. La défécation à l'air libre a des conséquences sur notre environnement et notre santé car elle contamine les sources d'eau potable et est la source de maladies telles que le choléra et d'autres maladies hydriques. C'est pour cela qu'il faut utiliser les toilettes et laver ses même plusieurs fois dans la journée, n'est-ce pas En effet, je vous propose de suivre cette conversation entre Salam Kadri et Samira Rouafi. <laughs> <laughs> <laughs> ya ci ne mun ganin ya bumboda nan kai gaga salamu alaikum salamu alaikum sadiya ni gono he wa alaikum salam hannatu nin no bismillah me hey no ni fun son kin zaro wora a ayye ka dai kwai ne kai go ka idi ni zo tagai aggo sagyo ga hanu window banda matkin sinun teginan wani dum te koyar matakan ai diya da manti wani ti sintina eh ni hannatu ni kan ga zan kai bai ai wai zan kai si babu bonin gai mu salan salanga kan goyun dora wadin sai nai moga faida mu kai ga tin gai muradu tarai mu sai dorandi haba sadiya wani man ta gai hagi nome nik bai hankan wane ginga kan dai ifono gi lakkal tunandi hei kai diya ranir gobo wani dirgan hei zahari kan zibi kulkan gono haro haroga bisanda hannu ko ya kai kunon sigar ni fanda bo yadin mono irgo kai di yara amma wani dano ti dalilo kan di men him gana ni zan kai misagyo ga daman ci salan gaira aha ifo se gunni window bangu jar gana go ni zan kai go sagyo ga yadin ga ga yin koi tono din bango ga da bangu tono din mu nik be kan aga hago saga da wadin kaga temo kwaga kunno kaga bagan da kolera ai bu hayir koi kolera o oh, kolera koi ne mamban igum go hinni kwaga gun matakan ni batta ga zibin da ta si zibai niya ne hagai gibon gado ne hagai mu hagi zibi kiman munu ha to gune to son gune irin sambu hamnai wo im koy lamba kwaga bandaga im ye kaga lamba gan kan bai dagan jinai ga agan jinai kunno ga sagame hey ai sing ba faman din sai sandai kaga yin kan dagan sai sandai ha sandai dai seno irgo zuru dai ifono ga kata borga kolera kolega wo borga sambuno bogai dicara gamaga walmo irwin dantara nigdi matakan nig teg bekan kan kolega go borga boga so bani bani te boga gunda ga zakai boga inga san modin na har zibo han nidimo dori zai kweglan bok tele ga wadin ganan bok tele mu kankam dum moga ingta sabili kan boga jan inga ga hamu haro litar wecin dugu walwagan klasa bai zari kulu ko ni sadiya dini zai gonda alamai wo sori banu yeri walmo bintai magurge kwandai doktor kwara kan ga manu ga. da man tiya da ne dogo wadana bordi diman wasi ga bora safar a ga borwi lokaci kai naga subhanallah he wai bongo bubun bono wone kul gano ai bai mata no ai gite ga wada colorado ro windo him ga hanan ga him ga kan benyum kai ni kai ni kula am bori ga mi ye goy da salan gai koi ni kan ga mogun da haga ki ga hando yadin dum mono ta tayi karan ganwa aga mi nyuma am bori halagan ginwa yadin dum mono dingo hinama na wago munini halagan ganwa hey hannatu ai sai mata nai gin bananda ma fondo gwai da bon fera wa kan nekka taga ton tangai sai zamdu manta tare singa baba hay kan gadu inda almiyalo manta tai kulno da go gocar bandu wai himgi car gaksi nai ko ni mu aga himgi tela kalam bori zami dubori kan ga dori zogo kwaga woga zagal laikal kauye ra ya dinga yi ga hagwai dik bo wodin misillakal tunan di kun me daino ai ga yadda zan kai fatta koi sagi tarai ko inda manti salan gabo ya din mono kai ni kai ni fo kulu ai gina irin mir banyum don wadu ta yake gun wa dungurai da mangai da le mai kula gina irin min yum alim bore irin mu duginwa ya din mono har dai gorka sina yi kogi salan yisi to madalla wane bisami to ai wakka to yi kwarai bai zan kai gono din gai baki eh hanna to ron bore manai gifo mu fonda gwai mu da kokaro hannatu musu dirga nai ba dono Merci pour vos conseils, les filles. Chers auditeurs, il est temps de découvrir la recette du jour. Il s'agit de galettes à base de mil et de noix de doum ou masambiri ou à la kangaumasa. Hajia explique le processus de préparation au micro de Zainabou Abdou. Masabiri akwai masabiri za a wanke a sai a tace biri aka tace aka aka gyara shi goruba eh shi goruba wannan shine kenan za a kawo goruba amma wanda aka babbuge wanda aka daka kenan garin goruba za a jika shi in aka jika sai in ya dan jika sai a sa tando aka sa tando ana zuba ruwa kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan ba a sa da yawa sosai don saboda ba zai tace ba yayi ja kuma yayi kabari in ka sa da yawa ba yayi kenan muna so ya kabri ne ka rika tashe shi a kadan kadan kana tace shi a kadan kadan har ya tsani ya tsage bayan ya tsage shi kenan shi kuma garin ka ka kawo ka nuko shi da man ka tankada ka gyara ka yi komi ka hada da komi da komin ka shi kenan kana so kuma yayi tafshi kana iya dan sa fulawa kadan dan saboda yayi tafshi amma son hatsin kenan saboda yayi tafshin shi ne kin san komi wanda ka sa dan fulawa da wanda baka sa ba amma duka ɗaya ne amma ya tafshin ake so don a ji daɗin cin shi sai a zo a dama da ruwan birin nan in aka zo aka dama da ruwan birin nan sai a ajiye shi inda da dare ne kenan kamar ɗan gari ya ɗan kwanta kaɗan ka dama gari ka fari don saboda kai ya yami sosai kenan gobe sai ka tashi ka toya shi ka hura wutan ka ka ɗora ka sa man ka soya wan masa biri shi ma sabiri ana cin shi akwai abin da muke dafa ruwan nan da in yi kabri da nake gaya miki muna dora shi ya dahu ana ce mishi mana muka dafa wannan ma'ana shine ake tsoma a ci bayan shi ko da zumu aka na hada shi kaci da shi merci zainabu abdu chers auditeurs continuons en musique euh, en cuisine plutôt avec euh, Oumou Oumourou Oumou ne bani samai salamatu fo studio kalangu hango kay irgaran firgaran bani ha han kunmi yawo hando albarkanta wara agonda hine kirsi giraran sai kan lokaci ka lokaci kan da ga tunan daran don hukun dai insha Allah bi iznillah ta'ala irsi kan daran sai kala ko a wani lemu haro ko gudai zai ko wani gura a wani lemu haro no irkan da hangan koi sai dinga bare ni mate ko gura wani lemu haro jinare ni ke ci ko gura bo dinga mu. nega ceci mant mante alcoolisé da mant anana ihin e kadin nega ceci le pic nim cekin sucre vanille nin sucre hamno hay wono nega ceci ingano nigin ko gura a wani lemu haro teda dara la sabu ay man kande kitta sanni ay man kande hayo sanni wo kan ayo ci donc inge nigi la sabu nda har gina din ka ni kandini kowa misali de ci ne hunkunde mi yoni duwa woygu de man tidai habu dingal ukaci alhali din du woygu ta seze de mi ni du le pik iza follon sa de panda bora hinade dandi dida sa de panda kanti ta kan bora gate to din kan de kwa gura nigan suban hankan no kan sabori din da suban nigi hanga hangasu nima madan hari nima lele dina lele a après ma bakandi dina bakandi gan gisi dina gisi entretan halaga hiji nigi ceci ni mante alcoolisa nima ceci manta anana nima ka nima suban kallon kan sabori dinda suban nima hayo ceci sikir hamni nima dangara nima musai min lokaci me ame sambu nigam musai no kalkal no kan sabori kalkal no kan sabu kalle nim tabbatan di kan wallahi ni manti hin kadin abu inga ni magi suwani wadi kin asaban di ni ko a hiji kal kan sai abori nima ka te danga a peu près 10 minutes yakin wal 15 minutes niga ka nima kan de tame niga kan de tame nima kati tame lilon yani ga tame kana. niga ka goro nimini kwadin nima dibi kalno kan sabori nimini kambe nyum kalno kan sabo zama haikul ga bahana ne yan nimini kambe nyum kalno kan se ibori din kambe nyum no ka goro a tetre pose nima ka nimi lokaci ko kusambu nimina dibi nima dibi kal kalno kan se kwa a fatta kerga nigi di no kitip wade cino nigi ceci hangasu fo wala kopi mm-hmm. yankin. niga ka nima sugu nima dan tamara nima sogu dinna sogu wade kina gudgudai ze i ni niga dan har kaina fo gan tarandi zama agin kiti amantar niga dan hari kaina fo ma tarandi wade kina guramun dinna guramun an tirtan niga sambu tamiya lilon nima ye kaga ye gan tatsewa koi matin ne tatsewa se nima kokosu koi mi donc dinna kokosu da tame lilon wodin ya dinga niga duwa ga te lisfu ga te ma zedai aga yuttu gumo donc da yuttu nima gisi apar wadin cindo nikka nima ni haiwa man to kan ni musaidin inga mo ne ka ma so gara ni ko haiwa kan ni sogu dira kan ni kokoso dira ni ga ko man taro de kan deja man tinna musai ni ka inga mo nima sogu dinna sogu banda ni tabbatan de kan walla ifurcara wadi kino ni kan din sikr vanilla ni nimdan sikr hamno man tinna sikr hamno dan ni sikr vanilla dan wadi kino ni gin lepi ko sambu ni ma fun Ni nima dorara dinna dorara inga ce cinu gombo nimi dencara kal non kan sai a bori aga komno kitip ma ze koko yutto ya nagati donc ni kan gonda firgo ga tolli har kina fu ara ni ma dan firgara nim dan ni bidu ara ma dan firgara gis ni kasin da firgo masu tolto har ba kai zam din dan glass aga tan ni kasin da firgo ni gis gisi din di ka iga baga hari han moy 2 minutes wal 1 minute wadi kini glass bagu ni nigan dorara donc a ma calcium <laughs> Merci Oumou, moi je vais essayer ta recette ce soir. Chers auditeurs, les Niger sur Kalangu continue avec la culture linguistique. Les mots du jour et sapeur-pompier et c'est avec Samira Oumarou. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans Culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your favorite show Culture linguistique. Des fonctionnaires qui travaillent en équipe, les sapeurs-pompiers ont pour ultime but de secourir et protéger les personnes, les biens ou l'environnement. à lutter contre les périls et conséquences des accidents de toute nature. Guess what? The word of the day is sapeur-pompier. Vous l'avez certainement deviné. Le mot du jour est sapeur-pompier. Que veut dire sapeur-pompier en anglais? Sapeur-pompier means, in English, firefighters. Firefighters is a person whose job is to stop fires from burning. Un pompier est une personne qui a pour travail d'empêcher la propagation du feu. Prenons un exemple. Always listen to firefighters during an emergency. That means, soyez toujours à l'écoute des pompiers en cas d'urgence. Un dernier exemple. Les pompiers portent des uniformes spéciaux pour assurer leur sécurité. That means, Firefighters wear special uniforms to keep them safe. Firefighters serve their community when medical or fire emergencies happen, which can make it good job from someone who wants to help others. Les pompiers sont au service de leur communauté en cas d'urgence médicale. C'est un travail pour ceux qui aiment aider, pour ceux qui aiment être au service des autres. Ladies and gentlemen, That's all for today. Appelez le 18 en cas d'urgence. Join us next time, same time, same radio with Studio Kalangu. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur kalango Le Niger sur kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio kalango Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est temps pour nous d'écouter les messages des auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. C'est Mohamed Hadi Abdou. Euh, je suis un habitant de Madawa. Merci pour le studio Kalangu de m'avoir interviewé aujourd'hui. C'est vraiment un honneur parce que ça fait un moment j'entends Studio Kalangu. J'écoutais les émissions. Vraiment, c'est des émissions qui passent très bien. On adore ce genre d'émissions parce que c'est des émissions qui édifient euh, la population, qui aident à comprendre euh, la société. Vraiment, euh, je dis merci et je pense que le studio Kalangu peut aller au-delà de ce qu'il fait parce qu'il y a beaucoup de choses et que les studios Kanangou peuvent faire comme euh, émissions qui peuvent aider la jeunesse, qui peuvent aider la population surtout dans le développement, développement agricole, l'élevage par exemple, le monde rural quoi. Donc voilà un peu euh, mon message. Euh, de, là aussi, je, salue tous les travailleurs du studio Kalangu, euh, particulièrement Rahila Soumana, avec qui on a été à la faculté des sciences à l'université Abdoumouni. Merci beaucoup. اسم ابراهيم اه مرا المراوة وان تبارك الله يسلا ونستريو كلندو تبارك الله ولي نقرازنا انا ولي ولي اول وانا كل ده تيرت ما زغاوة ما لم تيرت ولي ولي كما راديو دين الغرس وراتاك كل انا كل الغرس تورا قرغاس دغ لا قرغاس دغ راديو سين ترى تما القصر قرنا كغنا وانت ما القنت سرا قرنا رسلولان ده انا كل تو هو لغن بشقاغن كل غنا هنا Niger, Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. salama tu as quelle recette pour nous avant de nous séparer Voilà, Habiba, recette today la sekala wigila. Pain traditionnel no, mm -hmm. burno kan ni ginga tenu kusora. Ingredient hinza, ni miceci farin, ni ma hagai kan kan kalam burme ni miceci farin kan sinda hau. Ni mikekin tasa fo ni ma dangara. Din keki farin, ni mikeki ciri de dalbu, dalbu ki gidan burra. Ciro mu manta ciro gura ciro ni ga bakan dino harora. Ni min farino kasum zanga matakan ni ga dingo te biski kan nigdi farino ga sandi sandi aga banu banu ma musai kalamu furcara kan nin bai kan walla ajibi ga bori wato rin cine ma dabu amte zanga san ka di minute cine kan nigdi aga tunu aga furu kalamu ta sa tonan di hal ba ga furu ni min kuso dake din nun kuso dake cin dambu ma kole ni kuso ga ci dobu ma nanu ga dambu hauda wannan ke ki zare zare ga hau nem faida da zarga dindika nuku sogo zarga dullogo tun dambora nimin saku mm -hmm. kolgot saku pati nima nyumu nima gorandi dambora din na gorandi wato cin gani farino din kan furu kan kala na tasa tonandi niga ka niga te bulbul niga ka niga te bulbul niga kanandi kanandi kanandi kanandi dambora ni gingidan izi iddu cine walizi iya cine nim dambo dabu masafiri son nim nan amsa bai ga fufule nga bonse aga fufule aga fufule jusqu'à 20 minutes ya cinci nigidi aga fufule masa feri Mon dai am sabaye ga fufule am sabaye fufule nigidi da du 20 minutes a 25 minutes cine waton cin din ka da bir do feri nin dambo feri nigidi kan sadin da sadin da afuru agodai buru amontonim ko buru dai tare mm. woni no tun ko resetto kai kataransi <laughs> bien le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Ici prend fin cette émission de ce lundi 18 mars 2024. Vous étiez avec Habiba Ahmed et Salamatou Kadri. Si vous voulez réécouter l'intégralité de l'émission, il suffit juste d'aller sur le site web du studio Kalangu, www.studiokalangu.org ou sur la page Facebook du studio Kalangu. L'édition était assurée par Raylatou Soumana, la technique c'est Seini Isaka. Je vous retrouve demain à 18h pour le journal en langue jarma. Excellente journée à vous. Bye bye. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production.